Lundi 29 euh, mai 2023, chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Ali Moukela Ousseni et aujourd'hui je suis avec euh, Samira Rouafi. Bonjour Samira. Bonjour Seno, comment tu vas Ah, je vais super bien, Dieu merci. Et de ton côté Ça va. Nos salutations également à ceux qui sont de l'autre côté de la vitre. À la technique, il s'agit de Issa Lawali et l'édition est assurée par Rayla Soumana. Eh bien Samira, pour marquer le, euh, pour ce début de semaine, nous allons faire le tour de l'actualité dans le flash d'information. La rubrique Eco des régions nous mènera, nous emmènera, autant pour moi, dans la région de Maradi, précisément à Tessawa, pour parler du commerce des matériels recyclés, communément appelés Bola en langue Hausa. Il y aura également euh, le loti, la culture linguistique et bien sûr de la bonne musique nigérienne. Notre invité de ce matin est M. Suleyman Abdoulaye, c'est le responsable communication du centre d'incubateur de l'université Abdoumouni de Niamey. Et avec lui, nous allons parler de l'apport de ce centre incubateur dans l'accompagnement des jeunes étudiants porteurs de projets. Et oui, chers auditeurs, euh, toutes. Tout de suite, euh, le flash euh, d'information avec Rafika Ataer. Bonjour Rafika. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, Dieu merci. Mira, ça va Ça va bien. Alors Rafika, quelles sont les informations de ce matin Alors, nous allons commencer ce flash avec l'actualité chez nos voisins au Nigeria. En effet, le président élu de la République fédérale du Nigeria, Bola Asiwaju Ahmed Adekunle Tinubu, va prêter serment ce matin. Le président de la République, Bazoum Mohamed, se trouve à Abuja depuis hier pour l'investiture de son homologue. Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement par une forte délégation nigérienne. Ensuite, ce matin, le ministre de l'Enseignement professionnel et technique, Kassou Mokhtar, a lancé à Zender les examens du BPC national, brevet d'études professionnelles. Ce sont au total plus de 9000 candidats qui sont repartis sur 36 jurys dans 34 filières sur le territoire national. Le ministre se dit satisfait des conditions d'organisation des examens à Zender et partout à l'intérieur du pays. Enfin, pour ce flash, la campagne électorale pour les élections législatives de la diaspora a été lancée la nuit du 27 au 28 mai à minuit et prendra fin le 16 juin prochain. Il s'agit de la campagne pour élire les cinq sièges restants de la diaspora nigérienne considérée comme la neuvième région au sein de l'Assemblée nationale. Les élections législatives partielles se dérouleront le 18 juin 2023 au niveau des 15 représentations du Niger à l'étranger. Voilà, c'est tout pour euh, ce flash d'information de ce matin. Merci, Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé, nous sommes avec M. Suleiman Abdoulaye, responsable communication du centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour, euh, M. Suleiman. Oui, bonjour, c'est nous. Alors, comment vous allez Je vais très bien et chez vous oui, ça va, Dieu merci. Nous allons nous entretenir avec vous euh, de l'apport du centre incubateur dans l'accompagnement des jeunes étudiants porteurs de projets. Voilà, mais avant, un tour en musique avec le titre Jelly de l'artiste Diazdi. Alponi poni sangban lo ya bi el kanda ma kiri ya mwan lan ku yel min le sang balo ya bi yer kam na ma gi ba yu Et eh oui, Diasibo Chambiano, hein, c'est une euh, des figures emblématiques du reggae nigérien. Diaz euh, également artiste peintre, désigné dessinateur. Il fait partie hein, de cette nouvelle euh, génération de musiciens qui ont plusieurs casquettes. il s'inspire toujours des chansons rythmiques de son terroir. Et oui, Diasti euh, dispose de sa propre galerie, un moyen pour lui de toucher le citoyen lambda et de leur donner le goût euh, à l'art. La résidence euh, se veut également une vitrine pour les artistes locaux en quête de visibilité, une plateforme de promotion de l'art nigérien. Influencé par les airs gourmandiers, un groupe ethno-linguistique vivant au Mali, au Burkina Faso ici Ici au Niger, il s'en inspire pour en donner du style et de la prestance à travers un style qu'il a nommé l'Eptako nous en revenons à vous, euh, Monsieur Suleymana Abdoulaye. Euh, je rappelle que vous êtes le responsable communication du centre incubateur de l'université Abdou Momoni de Niamey. Parlez-nous un peu de la création de ce centre et de sa vision. Voilà, donc euh, merci Rafia. Merci d'abord au studio Klangou de nous offrir cette occasion de parler du centre incubateur et de d'appeler un peu en tout cas les jeunes, précisément les jeunes étudiants, à s'orienter vers l'esprit, vers le centre incubateur pour, pour insuffler, pour avoir euh, l'esprit euh, d'entreprise. Donc euh, pour un peu corriger, moi je suis le responsable marketing communication du centre incubateur. Ah, Il faut ajouter le marketing. voilà. <laughs> voilà, donc quand vous prenez le centre incubateur, c'est une structure qui a été créée en 2016 par les autorités rectorales de l'Université Abdoum de Niamey par l'arrêté 00238 du 1er avril 2016. La création du centre a une histoire. Ok. L'histoire, ça vient du fait que l'université, toutes les universités du monde ont deux fonctions principales. C'est la fonction de, l'enseignement et la fonction de la recherche. Mhm. Maintenant, ensuite, l'université s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de diplômés parce qu'il faut le dire que l'université, c'est la plus grande institution de formation au Niger, mhm. Mhm. où des milliers de diplômés sortent chaque année. Exactement. Mais avec tous euh, tout ce qu'on connaît au Niger et un peu partout dans le monde, mhm. ces diplômés qui sortent, qu'est-ce qu'ils deviennent donc là, il faut créer, il faut euh, avoir une troisième mission qui consiste à la, comment à apporter son soutien à la société. Donc cette société-là consiste tout simplement à trouver un mécanisme à travers lequel les étudiants qui sortent de l'université trouve au moins quelque chose à faire. Mm. Parce que là, c'est un problème sérieux. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'emploi, on crie partout. Donc, il faut que l'université apporte sa contribution. Donc, c'est en partant de ce constat que le centre incubateur a été créé en 2009. C'est vraiment une très très belle initiative. Alors, présente-nous le centre d'incubateur brièvement et euh, quel rôle ça joue exactement dans la vie d'après la formation de ces jeunes étudiants incubés Voilà, donc le centre incubateur, comme je le dis, c'est une structure d'accompagnement, d'hébergement et d'appui à la recherche de financement aux jeunes porteurs de projets. Donc ça veut dire que nous, au niveau du centre incubateur, dans un premier temps, nous accompagnons les porteurs de projets, mhm. des créations création d'entreprises, nous les hébergeons au niveau du centre incubateur et nous les appuyons à trouver un financement pour la mhm. mise en œuvre de leur projet. Donc voici de façon brève mhm. le centre incubateur. Ok. Alors, de sa création à aujourd'hui, le centre euh, a accompagné combien de, jeunes étudiants, par exemple Voilà, donc avant de parler de l'accompagnement du, nombre d'étudiants, d'étudiants ou des porteurs de projets accompagnés, je dois mm. revenir un peu en arrière pour parler des programmes d'abord. Ok. Parce que dans chaque programme, il y a des cibles. Maintenant, lorsque le centre incubateur a été créé officiellement, nous avons lancé nos activités le 17 euh, septembre 2017. Euh, mmh, mm-hmm. le 22 septembre 2017. Donc, pour la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle, nous avons mis en place trois programmes. Il y a un premier programme qu'on appelle programme éveil entrepreneurial, le deuxième qui s'appelle pré-incubation et le troisième incubation. Dans le programme éveil, c'est un programme qui consiste à faire des sensibilisations hmm. à l'endroit de tous les étudiants de l'université de Niamey et au-delà. Parce que tout le monde sait qu'au Niger, on n'a pas l'esprit d'entreprise. Tout celui qui va à l'école, la seule chose qu'on voit de lui, c'est avoir son diplôme <laughs> et être un fonctionnaire. <laughs> voilà, donc nous, dans ces programmes éveil-là, on fait la sensibilisation avec des chiffres à l'appui pour essayer de montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'État ne peut pas engager tout le monde. Mhm. Et ça, ce n'est pas une réalité spécifique au Niger, c'est dans tous les pays du monde. Mhm. Donc voilà pourquoi on a mis en place un programme éveil. Le deuxième, c'est un programme pré-incubation qui consiste à avoir des jeunes des gens porteurs d'idées, juste les idées, et les former pendant juste six mois pour structurer leurs idées afin que ça soit plus clair. Et le dernier programme qu'on appelle programme pré-incubation, c'est un programme qui accompagne les porteurs de projets qui sont mûrs, donc qui sont devenus des entreprises. Donc ah. pour répondre à votre question, pour les deux programmes, les cibles sont différentes. Mm. Le premier programme, Éveille, c'est tout le monde. Donc là, on sensibilise tout le monde. Mhm. Donc là, on ne peut pas chiffrer de façon exacte pour dire voici le nombre de gens qu'on a sensibilisés. Mhm. Mais quand même, c'est des milliers. Quand on prend au niveau de l'université nous nous peut-être on peut dire 30%. Un nombre de voilà. jeunes. Voilà, en tout cas, beaucoup de jeunes ont été sensibilisés qui connaissent les centres. Maintenant, pour le programme pré-incubation, là, euh, nous lançons un appel, deux appels chaque année. Donc de 2017 à aujourd'hui, nous avons lancé cinq appels. Mhm. Donc, nous sommes à la cinquième promotion. Donc, ça fait, et nous recrutons minimum 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes D'accord. Monsieur Suleiman, avant de continuer, nous allons encore euh, faire une petite pause musicale. Et voilà, on revient juste après. Et Samira, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a quoi euh, C'est nous, le prochain son que nous allons déguster nous plonge dans le Bollywood nigérien avec euh, cette musique qui a fait le tour de l'Ariwa et du monde à travers les réseaux sociaux.

Et oui, Yahya Mohamed, euh, dit dans La Fia, est un nouvel artiste qui a fait son entrée dans la scène musicale. Euh, il a environ 5 hum, cinq ans de cela, passionné hein, de musique depuis son plus jeune âge, aujourd'hui il est acteur, interprète et chanteur. Il fait euh, ses débuts tout simplement en suivant des artistes avant d'en être un lui-même. Il chante pour éduquer, distraire et parler de la vie sociale. Pour le jeune chanteur, la chanson est un tout car il en a fait un métier. Retour au studio, euh, j'espère que vous avez, aimé plutôt cette chanson, Monsieur Suleiman Abdoulaye. Oui, on a, aimé. <laughs> voilà, je rappelle que vous êtes le responsable marketing et communication du centre incubateur de l'université Audoumouni de Niamey. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous étions en train de parler de l'apport de ce centre incubateur dans l'accompagnement des jeunes étudiants porteurs de projets. Alors, dites-nous, M. Suleiman, quelles sont les procédures à suivre pour être accompagné par le centre incubateur voilà, donc tout à l'heure, j'étais en train de parler des différents programmes. C'est-à-dire, pour euh, être accompagné au centre incubateur, il y a une seule voie officielle qu'on appelle répondre à un appel à candidature. C'est-à-dire, euh, les deux programmes dont j'ai cité tout à l'heure, il y a le programme pré-incubation et le programme incubation. Effectivement, on Pour le programme pré-incubation, on lance un appel à candidature pour recruter les porteurs d'idées juste les idées. Et pour euh, être accompagné dans le programme incubation, on lance un appel à candidature pour recruter des gens entreprises mhm. en difficulté ou mhm. qui souhaitent être accompagnés. Alors, quelles, sont les, procédures à suivre pour être accompagné par le centre incubation Voilà, donc les procédures, comme je à le il faut répondre à un appel à candidature. Mhm. Donc, on lance un appel à candidature et vous déposez vos dossiers. Maintenant, il y a un comité de sélection qui siège. C'est lui qui évalue tous les dossiers qui sont envoyé. Surtout, bien sûr, évidemment, c'est la base de certain nombre de critères. Mhm. Donc, on évalue en fonction des critères et pour essayer de voir les 10 premiers ou les 15 premiers, on les accompagne. Donc, l'accompagnement, si c'est en pré-incubation, c'est en 6 mois. En six mois. c'est 6 mois. Donc, dans les 6 mois, on fait tout ce qui est, tout ce qui est formation, accompagnement, coaching mhm. individuel. Et la pré-incubation, l'incubation, c'est en 18 mois. Donc, au total, nous accompagnons pendant 24 mois. Hmm. Alors, monsieur, euh, quel, est le message que vous avez actuellement à lancer à l'endroit des jeunes euh, qui ont des idées d'entreprendre et qui ont du mal à se lancer Voilà, donc avant, avant de dire même ceux qui ont des idées, hmm. même ceux qui n'ont pas des idées. <laughs> Hier, je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un nouvel ordre mondial. Nous, on a été en mission tout à l'heure dans un autre pays, en tout cas un pays étranger qui est loin du Niger, hmm. et c'est un pays développé même. Donc, mais j'ai dit sur la page Facebook de l'incubateur, le nouvel ordre mondial, c'est l'entrepreneuriat même les pays les plus riches ne sont pas épargnés. Mhm. Donc les jeunes ne devraient pas attendre à ce que l'État les engage. Ils devraient eux-mêmes trouver les mécanismes et les moyens à travers lesquels mhm. ils vont s'auto-employer. Et pour les étudiants de l'université Amnoun de Niamey, Dieu merci, l'incubateur est là, qui a été créé uniquement pour eux. Donc de ne pas attendre de nous bousculer, de venir, de frapper chaque fois aux portes de l'incubateur, nous nous sommes là pour les accompagner. Et je l'ai dit aussi que les jeunes aussi ont besoin du soutien des autorités et surtout les soutiens financiers. Euh, euh, professeur, est-ce que les jeunes que vous avez déjà incubés, vous avez eu des bons retours de résultats avec Oui, bien sûr, on a eu, on a on a eu des bons retours parce qu'on a, on a actuellement au moins 10 entreprises qui sont sur qui ont des produits sur le marché. Donc mhm. si on fait l'évaluation, véritablement il y a des jeunes qui sont en tout cas, il y a des jeunes qui sont actuellement qui ont des produits sur le marché. Donc ce n'est pas fait un accompagnement théorique, c'est un accompagnement à la fois théorique et pratique où nous avons actuellement des jeunes qui ont des produits sur le marché et qui sont visibles dans certains supermarchés. Et dans, au niveau de l'incubateur, nous avons un espace dédié aux entreprises et aux produits qui sont vendus sur le marché de nos entrepreneurs. Hmm. Voilà. Et de sa création aujourd'hui, vous avez formé combien de jeunes à peu près combien de jeunes Oui, il a Ou bien accompagné <laughs> Bon, j'ai déjà répondu tout à cette question, <laughs> mais si vous voulez, je vais revenir un peu là-dessus. En tout cas, la dernière fois qu'on a fait les statistiques euh, sur le plan formation, en tout cas, toute formation confondue. Mhm. Parce que si vous me permettez de revenir un peu, c'est mhm. les missions du centre incubateur. C'est-à-dire la mission, nous avons quatre missions. C'est d'abord euh, l'employabilité des diplômés de l'Université de Niamey, donc mhm. de les mettre dans la vie active, la promotion de l'entrepreneuriat, la valorisation de la, des états de la recherche et ensuite l'écosystème au niveau de l'université. Donc quand vous prenez par rapport à tous ces éléments-là, nous avons mis en place un programme de formation. Diverses, diverses thématiques sont déployées. Donc, nous avons formé, en tout cas, plus de 4787, si je ne me trompe pas, en tout cas, qui, ont été formés. Et dans toutes les facultés, il y a des étudiants qui peuvent en témoigner. En tout cas, les formations se déroulent mhm. et au centre et dans les différentes facultés. Voilà. Tout à l'heure, j'avais voulu vous demander par rapport au financement et dans vos détails, vous nous avez expliqué que l'accompagnement aussi, il y a le financement dedans. Est-ce que tous les projets peuvent avoir un financement au sein de votre Voilà, donc au fait, quand j'ai dit euh, parmi les objectifs, ce n'est pas l'incubateur qui finance directement. Mhm. Nous, ce que nous faisons, nous faisons un appui à la recherche de financement. Parce que nous, on a une philosophie. Le fait de dire que je vais créer une entreprise, mais je n'ai pas l'argent. Mais quelle entreprise c'est un problème. Donc nous, ce que nous faisons, nous d'abord nous, nous formatons l'esprit de l'individu pour qu'il soit dans sa tête et dans son esprit qu'il ait toutes les compétences d'être un bon entrepreneur. Mhm. Et puisque aujourd'hui il y a beaucoup de structures étatiques et non étatiques qui financent, donc nous on appuie cet entrepreneur là qui a des très bonnes idées à trouver un financement. Merci beaucoup, euh, <laughs> <laughs> monsieur le professeur. On, va en revenir sûrement un jour. On va vous réinviter parce que c'est vraiment très intéressant. Merci à vous d'être euh, venu répondre à, cette, à nos questions. Hein. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Alors, chers auditeurs, euh, nous sommes lundi et aujourd'hui, la rubrique justice est à l'honneur. La rubrique justice est à l'honneur dans cette émission. La rubrique justice de cette émission porte sur les délais de prescription pour porter plainte. Exactement, le juriste de l'association ADEPA F Espoir, une structure qui milite pour l'amélioration de la situation des enfants euh, et des, droits des femmes plutôt et des enfants au Niger. Il est interrogé par Rafika Taher. Qu'est-ce que c'est qu'une prescription en matière pénale Mais avant de parler de la prescription en matière pénale, connue également sous la désignation de la prescription de l'action publique, il me paraît important de donner tout d'abord la définition juridique de la prescription. en droit, la prescription désigne la durée légale au-delà de laquelle une action en justice, civile, commerciale ou pénale, n'est plus recevable. La prescription est donc, sur le plan juridique, un mode légal d'acquisition ou d'extension du droit. Quelle est la durée d'une prescription Retenons que c'est le délai fixé par la loi au-delà duquel il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction. Et au terme des articles 7, 8 et 9 du Code des procédures pénales, le délai de prescription est de 10 ans en matière criminelle, 3 ans en matière délictuelle et 1 an pour les contraventions. Qu'est-ce qui peut interrompre une prescription La prescription peut être interrompue ou suspendue par un procès verbal de conciliation, par un procès verbal d'enquête préliminaire, donc, donc un acte de poursuite, qui peut aussi être un mandat d'arrêt, un mandat de dépôt. Donc, ça peut aussi être euh, interrompu par un acte d'instruction comme, euh, par exemple, un acte d'inculpation pris par le juge d'instruction. Il faut préciser qu'en cas d'interruption de la prescription, il y a un nouveau délai qui commence à courir à compter de l'acte intuitif et donc je viens de faire cas c'est-à-dire à, partir du de, de, PV des procès et d'enquête préliminaire, à, partir des actes euh, d'inculpation ou des mandats de dépôt ou des mandats d'arrêt. quoi. Donc ce qu'on appelle les actes interruptifs de prescription. Donc le délai commence à courir à, donc à compter de la date de ces actes interruptifs de prescription. Donc pour ce qui est de la suspension de la, prescription, contrairement à l'interruption, elle fait courir un nouveau délai sans effacer le délai déjà couru. Voilà, donc, euh, et pour ce qui est du délai de prescription, il peut également être suspendu donc, par un acte de conciliation. Par exemple, quand les parties s'entendent entre elles, donc, euh, pour que le délai de prescription soit suspendu. Et le délai de prescription peut également être suspendu par la loi ou en cas de force majeure. Voilà, après euh, la rubrique justice, euh, nous poursuivons avec euh, la bonne musique, bien sûr. Et cette fois-ci, je vous propose le titre Kari El, Kacha. Voilà, de l'incontournable Ali Atibili et l'orchestre Haskesta.

Star est créé en 2008. Le groupe est composé de 10 membres. Leur euh, musique s'inspire du rythme traditionnel des Gambara, une musique locale de la région de Zender. Haske chante la paix, l'amour et les thèmes d'actualité. Notre musique est tendance, comme ils le disent, conviviale et invite à la fête, à la joie. Dans nos textes, euh, nos sentiments, euh, nous sensibilisons plutôt la population sur la vie, euh, la société, euh, etc. Ils font également des prestations lors des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire et meeting politique. Ils ont fait plusieurs tournées au Niger et en Afrique et bien évidemment en Europe aussi.

Say, ka bi kan tudu ka biyo ta l'heure de faire un tour en région. Et oui, dans le cours des régions d'aujourd'hui, nous partons à Maradi, plus précisément à Tessawa, pour parler du commerce des matériels recyclés, communément appelé Bola. Pour plus de détails, écoutons ce reportage de Seydou Sanké. Sana'ar bola sana'a ce da ke ci gaba da haɓaka bamban da yanda ake mata wani dubi a shekarun baya. Wannan sana'ar ta bola na tattare da matsaloli iri daban-daban da kuma irin amfanin da wasu ke samu musamman matasa. Yakuba Yakubu wanda ka da Yakuba mai bola ɗaya daga cikin masu sayan kayan bola kuma su kai Nijeriya su sai da ya ƙara mini bayani kamar haka. Bola wannan kamar duk abin da ya lalace shine zaman bola kamar mota ta lalace wadda kwata-kwata ma ba ta gyaruwa to shine sai a kawo kawo mumu bola sai ko wani karto dai wanda haka ko kwali yanzu bolan leda ce kawai ba mu fara ba amma komi da kwali da karfe wannan wanda baya amfani ana iya kawo mumu mu kuma in muka tattara muka auna sai mu kai gida rodi sai a tai Najeriya da shi a kai shi gida rodi a sarrafa shi to amma babban matsalar mu abinda ba mu jin daɗi mutane waɗanda ke ɗauko kayan mutane a zaman bola su zo su kawo mumu mun kuma mu saya ba cikin mun sani ba da ƙura ta taso aka ca muku mutum sai ya taho ya tara ka kana sana'a ka kai ba ka sani ba sai ya gwade ka ya ce kai ya saida mu to ita ko hukuma mai gaskiya ce in aka zo aka yi bincike kai ka saye kuma za a yi bincike a ji arha ka saye ko ko tsada in ka samu mai adalci ya ji ka saye abin da daraja to zai kawo ma sauki kuma ya sauƙaƙa ma amma in aka ji kamar kaman saye kashi biyu ne akwai na sata akwai na gaskiya in an ji sayan gaskiya kai to an san bolaka mai kyau ce in ko baka yi sayan gaskiya ba to an san da kai da barawon nan da ɗaya ne to wannan shine babban matsalar mu ga bola da mutane ke ɗauko kayan jama'a wa'anda su zo su saida kuma har su rika rantsuwa nasu ne to amma yanzu abin da muke so ga gwamnati muna neman muna son dan Allah dan annabi a taimaka mu da gidan rodi a nan Nijar wanda ba sai mun ƙetara ba mun tai ƙasashen waje kaga ga yanzu aihin tirela na ana ta loda mu bola ko kuma ta milika ce a yanzu wannan ba mu da wata babbar sana'a wadda matasa ke samun abin yi kamar wannan bola duk mai sana'a nan dan Allah dan annabi duk inda ya ga wani kaya na ya bata mu sana'a a rika cewa yan bola barayi ne tunda bola ta yi daraja abin jikka yanzu sai ka saye shi jikka biyar a bar sayan kayan sata yanzu haka dai matasa ne ke yawo a cikin gari domin neman tsoffin karahuna da dangin su don su kai su sayi da su samu kudin kashewa muna yi kawai don dai mu nemi ana abinci kura ce muke ja muna ja muna samun bola. da mun samu sai mu taimu sai da a ba mu kuɗi mu aje kuma mu taimu ci abinci a wani wani bin ina samun ɗari uku wani bin jikka ni dai tun da na fara bula ina dai eh, kuma ina samu mu yanzu cikin daji ma muke shiga don cewa ake cikin gari yanzu yan bola barayi sannan sai mu shiga daji mu yi bola da yake ana kai taki mu yanzu kilo talatin talatin ake sayi assalamu alaikum masaidu muna layya lafiya lauya gajiya ya gida lahiya lauya mutanen tesawa a lahiya lauya kuke haƙuri da jama'a lahiya lau mun gode ma Allah to masha Allah to madalla sai sanke yayin da kuka yi wannan rahoton uh-huh. su mutanen da ke ɗauka kayan ana wannan bola ana kaita ta Nigeria ba su samun wata matsala can saman hanya yayin da suke kai kayan nan tunda an san da in ba kwana-kwanan nan ba shekarun bayan nan babu wani tsaro cikakke. eh to lalle kamar su eh yanda suka dan kwatanta mana irin matsalolin da suke samu shine dai kamar a guji cewa da kayan wani tunda masu kawo musu ta ko ina ake iya kawo musu haka ne haka ne dama ina so in zo ga wannan amsa to in aka yi aka si kuma kayan nan da aka sata mai shi ya zo karɓar kayan shi tunda ya ji labarin an kai ta bola kuma kayan an riga an aika su ta yaya za a yi a biya mutunan nan eh haka akwai hanyoyin da ake bi na farko dai shi wannan mutumin wanda ake kawo ma kamar ogan nasu idan ka kawo bola sai ya tabbatar da kai daga ina ne kake tukuna ya san ka yanda in ta kai ta kawo ya san kowa irin karfin da ya kawo in karfin moto ne ka kawo na moto ne in na mota ne ka kawo na mota ne kenan idan aka ga karhe ɗaya to dole zai sa a nemo ka idan ka zo kai za ka mai bayani ina ka samu wannan karahunan ko kuma kai ma in saye ne kai daga can wurin wane ne ka saye to haka wannan hanyar za a bi har a ji eh, inda tushen inda aka ɗauko karahunan. Mm, to madalla shin hukumomi suna sa ido musamman jami'an tsaro yayin da ake aunawa ko sanda ake lodi saboda a kiyaye irin wannan abubuwan. eh to lalle gaskiya bakin gwargwado hukuma tana kokari wajen wannan bangaren saboda kun san duk abin da aka ce zai kawo matsala to hukuma tana nan tana kula da shi na kai abin ya kai ya faru a samu wasu matsaloli daban-daban gaskiya alhamdulillah nan suna bakin kokarin su dai a nan yankin mu ban sani ba garin waje to madalla mu ta lafiya sai sanki a gaida mutanen tesawa nagode nagode Allah saka da alheri nagode kwarai Nous allons euh, passer maintenant euh, au sport, c'est l'heure, euh, et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour ah, Hassoumi. bonjour Mira, bonjour. C'est nous Oui, bonjour Gourouza. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'arbitre nigérienne Zouera Souley. Natif de Niamey, Zouera Sani Souley est passionnée du sport dès son bas âge, plus précisément le foot. Elle est citée d'ailleurs parmi les meilleures joueuses qui ont œuvré dans cette discipline au Niger, déterminée, rigoureuse sur le terrain. Selon ses anciens entraîneurs, elle se battait avec bravoure lors des différents matchs joués et quand euh, a-t-elle fait son entrée dans la cour euh, des grands Oui, Seno Zouera a fait son entrée officielle dans le foot féminin en 2007 alors qu'elle n'avait que 15 ans à l'époque, euh, dans le club mm. euh, de l'université de Niamey, où elle a évolué en tant que défenseur central. remarquée, repérée lors des compétitions locales jouées au Niger, Zouira a été sélectionnée par la FENIFOOT dans la catégorie senior du MENA féminin, toujours en tant que défenseur central. Avec cette équipe, euh, elle a eu à participer à plusieurs euh, matchs internationaux, euh, ce qui lui a permis d'ailleurs la découverte de plusieurs nations. Zouira jouait parallèlement pour le MENA et son club de l'université, mais elle assurait également le rôle d'arbitre de temps en temps. Voilà. quand a-t-elle commencé l'arbitrage C'est en 2017. Elle a décidé de s'orienter vers l'arbitrage une autre passion d'ailleurs qui l'a toujours animée. Ainsi, grâce aux multiples efforts qu'elle a fournis, elle a enfin réalisé son rêve le plus cher. Aujourd'hui, âgée d'une trentaine d'années, Mlle Zouera est devenue une arbitre centrale internationale et a coordonné des matchs à l'échelle nationale et internationale dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi féminin des Chabouhari au Nigeria et cette année, la première édition de la Coupe UFOA de la zone B à Accra, au Ghana, elle a arbitré le premier match d'art de cette compétition entre le Ghana et le Bénin. Maintenant, elle a le grade d'élite A. Actuellement, Zouera évolue dans le métier d'enseignement en tant qu'enseignante d'éducation physique et sportive depuis 2019 à Merci beaucoup euh, pour ce beau portrait, euh, j'ai vraiment aimé. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. On passe euh, au portrait du jour. Euh, tu nous, présentes euh, qui aujourd'hui Voilà, notre star du jour, c'est Binta Ilia, animatrice dans une radio de la place. Binta nous raconte pourquoi elle utilisait des produits éclaircissants et comment elle a fini par abandonner la pratique. Son portrait avec Rekia Arimi que j'ai moi-même rendu au studio. Ma'aikaciya a wani gidan rediyo a garin Yamai, Binta Iliya ta fara tun tana matashiya amfani da kayayyakin shafe-shafe don sake launin fatarta. Ta bayyana mana dalilan da suka sa ta sanya irin waɗannan kayayyakin a fatarta. ma na jima ina sha homai wanda cikin kurciya baka ci ga shekarun da ka fara sha homai in sauko don lokacin yana kurciya bane kana jin daɗin abun kana gani in ka sha washe kana haske masha Allah kana kyawun sa kai dai ne in ka riga ka sa kanka ka sa kanka ne ba wani amfani ba ne kamar ni ban taba sha mai hakan ga da rana ko da a'a da daddare ne in zan kwance shi ma sai ina san ina ƙarƙashin venti mai sanyi Tsawon shekaru da yawa bayan shekara uku kenan, Binta ta ga yana da amfani ta kawo ƙarshen wannan shafe-shafen saboda tsoron kamuwa da cutar fata wadda ta kwatanta muna. saboda ko lahiyar shikin kama kaɗai lahiyar fatar shikin kama ya ce a ce mutum ya bar sha mai suna fisibila sibila shaho mai yana ma mutane iloli da yawa ga shiki di baki gani ko abu da ma ana yi ma musamman ga hwata mutum ma ki gani in ka jimi wani dan kaɗan in dai kana da mai sai a ce maka wani ka bar shaho mai da fisibila na ga wannan kai ba ma shi ma asaran ma kuɗin ma da kake yi tun da fisbila in ka sa kanka shaho mai wallahi ke shi ga miki madan wani lokaci ma ga kuɗin ga hannunka in man naka ya kare baka iya ka sai abinci ka ce da cikinka dibi kake dan mana naka in ya kare kayi dan kwana biyu baka sha ba sai ka shi mutanen gari suna ce maka a banniga in ji zabarmawa to sai ka yi dibin wannan ka je ka miƙa kuɗi ka so shi ka zo ka aje shi to kin ji dalili shahu mai dai ban ga wani fa'ida a gare shi ba gara in bar shi in huta ko bar shi lokacin na bar shi ko wallahi alhamdulillah tunda lalle lokacin da na bar shi na yi ta samun wasu 'yan maganganu wanci lahiya baki shahu mai in ce musu lahiya ta launa dai bari dai ne wanci baki ko ma da wasu kake in ce ku bar ta haka na Binta Iliya tana mika kiranta ga mata da 'yan mata da su bar mugun shafe-shafen mai. Dai ka bar shawon mai kinna nan, bi da layi gaskiya sai ka kai da kanka ma kana shin daɗi. Ni yanzu dai zan ce miki wallahi ni duk mace da naga mata na shafa mai ni tausayi ma take bani. Sai in yi dibi lokacin da ne zaman ina yanzu da na hice shi. Ina wata a ce kowace mace mai shafa mai ma yanzu ta bar shi. Saboda lahiyar shikinka. to da a ce kamar duk mata suna yin haka na da wasu kin ga jikin su bai lalacewa wasu ma in sun bari ma kamar ma ba su taba yi ba to wasu yake gani bisa kan tsohon su ma suna shahamai to ban watan wasu matan a ce bisa kan tsohon ka kana shahamai ya kamata a ce tun dai kana da dan saura sauran ka dan yarinta ka dai ka bar shahamai tun da shi duk yadda aka yi ba a cewa mata duk su hita sha mai wasu ba su iya kin ga harka intervention in ga kadai ma wallahi duk mace mai sha mai aka mata intervention tana samun problem saboda menene matsala deja wata ta yi ta bishi ta ne duk wannan wata nan mai karhi ta bisa kan jikin mutum mai kaushin na duk kamurje mai duk mai yasa ta ta yi ta bishi lugub to kinga da an maka intervention ina sai ga mutum yana samun matsala menene matsala wajen dumki sai ki gani intervention yana ta ruwa ke dai kahin dai mutum kahin dai ma ya warke wallahi akwai matsala binta iliya ita kadai ce ke amfani da kayayyakin sake launin fata a cikin gidansu kuma hakan baya burge sauran 'yan gidan Malama Iliya Zara Shama tana alfahari da diyarta saboda ta daina yin amfani da kayayyakin shafe-shafe. Da tana ci na iskan duniya ne yana bugun su. Muna waɗa musu bari tun da mu muna waɗa mu. Wurin da Allah ba ka yi haƙuri da shi. Kai nan kare ni kyauta Ubangiji. da taka. To takan kuma in kabuɗe ta ba za ta kai kan da kake so ba. Ka ji muka sa musu ido. Yanzu da suka ga uwa bari ba sun bari ba. ai mu ce su bari su kawai don su ko mu da aka mu sha mi ba diyata da horin mu Allah ta ce mu kuma ka zama da horin mu abin ji da tun da ta bari yanzu ba tun da ta bari mun ji da yanzu ba ka fata ta koma ba amma da dona har yau dai ana na an bambanta ko a yau tana da shekaru 43 Binta Iliya ta daina sake launin fatar jikinta, ta ce tana jin daɗin yanayin fatar jikinta ta ainihi. Ta kuma jaddada mana cewa babu wani abu a duniya da zai sa ta koma cikin wannan harkar ta sake launin fata na son rai. C'est nous pour notre dernière balade en musique. Écoutons le titre Jagap de l'artiste Barakina Bawan Allah. On vous laisse kiffer. Monsam chia ido ido ido ido ido shaka Monsa seja ido ido ido ido ido shaka Sunsa mun ido ido ido ido ido shaka Mr. Diddy give me something shaka Karataga me the something shaka Sekaga ko waya jike shaka shaka shaka ido shaka Mr. G, they give me something. Shut up. I'm in the Sultan. Shut up. Zega Loko Wayajiki. Shut up, shut up, shut up. Shut up. Ansa Mungido. Akwai mama su shi hana. Na jawo ido. Amma ba su Wombo samu na. lombo, wambo lombo. Kama pato, rabona na kusana. Wambo lombo wombo lombo kama kodora bona napo sana na zagina ace ina nan ace ina can ga dai mun kai ba wallahi ba su san can ace ina nan ace ina can ga dai mun kai ba wallahi ba su san can ido, ido, ido, ido, shaka. Mun zamci ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Monsa se jan ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Sun sa ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Mr. D they give me something, shaka. Kara me the something, shaka. Se kaga kowa ya shike, shaka, shaka, shaka, shaka. Mr. D they give me something, shaka. Kara me the something, shaka. Seka na kowa ya jike Shana, shana, shana, shana Mun shigo a fati yau akwai su papi cilo ‘Yan adawa can a zaure ga muna a halo Ko da muka shigo ‘yan matsa suke ta follow, follow Dan muna saye da black and yellow Flow it, so baby follow me Guys kick it, so baby follow me Money kick it, so baby follow me Mr. Safe, pull will up sound, shana Mr. DJ give me something Sugar, Shaka Anataka me the something Sugar, Seka kako waya shiki Shaka Shaka Shaka Shaka Mr. DJ give me something Sugar, Shaka Anataka me the something Shaka Seka kako waya shiki Shaka Shaka Shaka Shaka Et eh oui, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Jagab de l'artiste Barakina Banwa C'est l'heure pour nous d'écouter euh, cette fois-ci le loti euh, du desk des femmes du studio Kalangou. Et aujourd'hui, la chronique nous parle de l'importance de ramener les enfants pendant les vacances au village. Écoutons Rakia Arimi et Hawa Ousmane pour plus euh, de détails sur le sujet. matsokiji matsokiji Assalamu alaikum, uwa yaya kike? alaikum salam Rabibi, da dama? Alhamdulillahi, me nake ganin takardu dimtsin a gabanki haka? fasfor kin yara nake ta neman tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne yanzu lokacin hutun ƙarshen karatu kin san ko muna zuwa ƙauye. Ƙauye kuma amma ke fa ina ji da sauranki. Tahiya birnin bai isa ba, hal kuma ki wuce ki je ƙauye. Hmm, zama a birni da yara ina ji shi ya fi komi. Haba ke kuma, halin kin manta ne a ƙauye na girma, a can aka aihe ne. Uwaye na ma suna cin, ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu. Gaskiya ni ba zan iya ba. Yo me yasa? A ƙauye kin san akwai cututtuka da dama shi yasa lokacin da nake kasar Nijar ni ban zuwa ƙauye balle ma a ce in kai yara na ikon Allah Rabi me kike faɗa yau kuma dangin nakiwa ta waya ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci Shi shikenan daga waya sai waya yo me ke so in yi kuma ban da wannan haba Rabi idan kuma akwai wata sabgawa ya kike yi kiran su nike wani bi ina aika musu wani abin hannuna Mhm. da da ke a ganin ki kin hisu kenan ko da kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ba su maganin nisan wurin da kike je wanda kike can bakin gari amma yi mutum ya tattaka je wurin ki kada hokki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da yan uwansu mhm. lili haka ne amma zan san naki gaskiya sai an yi nazari aka dibarabi kin hosan sun yi mu yawa mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su kuma dibawa yara ba su wata damuwa wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba kuma ga abokan su nan ai ba wani zancen abun da zai dame su sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsari yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba ai su dole ne kuma sun saba kayan su ku da kan kuna iya sabawa hawa bari zancen nan kin shi ko haba rabi idan kina gudun cututtuka ne ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare yan karamin ki na magani ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa wallahi sai na ta yi da 'yan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa dan abinci saboda waɗanda za iskewa su ma in taimaka musu. Mm, kina da gaskiya ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa, ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni haka nan nake yi a kodi wushi in na te ganin sarakaina eh. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarakanta ba. Hmm. Wannan kam da ni kike. To, shi kenan na gane, Lili zan ɗauki shawarar ki in Allah ya yarda. Ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. riba Rabi, wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki. Ba ke kaɗai ba ce. Na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar gaskiya kam ya kamata mu canja hali a gaskiya kin gane wannan kuma shine yake saboda dare da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu <laughs> za mu gani ina za ki da yan koma tsanki ƙauyen dai za ni <laughs> fa ba garinku ba ce a dai tunani na kenan yi ƙoƙari ki tunani <laughs> Kina da gaske a Lili, in Allah ya yarda, wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana. To, ko kewa, in dai kina so ki sami yauni sosai a cikin ɗakin ki, ya kamata fa ki kai masu kanki ziyara. Su kuma a ƙauye suke, kenan zaman ƙauye ya kama ki, ko kuma in ce zuwa ƙauye ya sami ki. In Allah ya yarda Lili, ai wannan makarin ba kwa bar ni ba a cikin gari Insha Allah. C'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu. La suite de notre émission avec la culture linguistique présentée par Jacqueline Dalton. Et oui, aujourd'hui, Samira Jackie nous explique euh, la nuance entre deux mots en anglais, par exemple angry et angry. Suivez, suivez plutôt. Hello, I hope you're well. J'espère que vous allez bien. Peut-être vous vous rappelez que la semaine passée, on a parlé des repas. On a parlé du petit déjeuner, qui en anglais se dit breakfast. On a parlé du déjeuner, lunch, et le repas du soir, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Aujourd'hui, on va continuer de parler un petit peu sur ce thème-là, mais en parlant de la sensation d'avoir faim. Comment dire j'ai faim en anglais C'est I'm hungry. Hungry c'est hungry avec un H au début. Alors attention parce que souvent on peut se tromper entre deux mots qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire hungry et angry. Angry. Angry, ça veut dire fâché. Donc, I am hungry veut dire j'ai faim. I am angry veut dire je suis fâché. Essayez de ne pas confondre les deux. Par contre, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois quand on est quand on a très très faim, on commence à être frustré et fâché parce qu'on a faim. Et il y a environ cinq ans, un nouveau mot s'est créé en anglais qui combine les mots hungry et angry. Et ce mot-là, c'est hungry. Donc en fait, c'est un mot qui n'existait pas du tout jusqu'à très récemment, et maintenant c'est dans le, dictionnaire euh, d'Oxford. Et voilà, c'est un mot un peu pour exprimer la sensation quand on a très très faim, et puis aussi on devient fâché parce qu'on a faim, donc hungry. Pour répéter les trois mots-clés qu'on a vus aujourd'hui, on a vu hungry, avoir faim, angry, être fâché, et le nouveau mot Hungry, qui veut dire être fâché parce qu'on a très faim. Alors, un petit quiz pour terminer. Comment dire j'ai faim I'm hungry. Comment dire je suis fâché I'm angry. Comment dire je suis fâché parce que j'ai faim I'm hungry. Hungry. That was today's English word. Ok, j'ai compris. Merci Jackie. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Et justement, Samira, nous allons écouter les messages vocaux de nos auditeurs. isufu shefu gaskiya abin ga studio kalangu in nan muna jin daɗin shirye-shiryen su sosai ma musamman ka gani wato a nan birnin kwanne ba wai garin hausa ne kawai ba yare da yawa ne ke da kwai to inda abin ma ya kayatar sai to duka yaren ga na nijar gaskiya gwargwadon hali studio kalangu duk tana yin wannan sannan kuma kafa ce wadda fisibilai tana yin abu cikin tsari sannan tana ilmantarwa ga kuma irin wannan ana faɗakarwa ciki ana kuma nishaɗantar da mu duka wannan abu ka yi dariya ka samu labari mai ingantattu kai gaskiya fi sibila dai abinda kawai zan iya cewa ma kan studio kalangu kawai dai ta zo a daidai lokacin da ya kamata kawai studio kalangu fi sibila muna jin daɗin shirye-shiryensu a yi magaci ya da mai da kiga bai da cin ba maka da don don kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu irgo ma studio kalangu kan da na bare ya kan da bon ferayen mhm. alanda ya kan da tifon da yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ngai goye te dawo imagaban da ga irko makamu da ni ngai go am koy de jina irman di go ga kando kadai hankan ga himan da burmun ware dai irko himma tontoni sai igo yi mu koy de jina cintine gina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koy kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ngan ninga wani almayare kulu min ibrahim mohammed rosiri studio skilangu ay furganela na dadar gana sama makwash a jo sa studio kalangu

Rebonjour Afika. Rebonjour c'est nous. Alors quels sont les grands titres de ce soir Alors pour ce soir, le président élu de la République fédérale du Nigeria va prêter serment aujourd'hui. Je l'avais déjà annoncé en amont dans le, dans le flash d'information. À suivre à 17h les attentes des réfugiés nigériens à Ngingimi du nouveau président. Ensuite, le comité international de la Croix-Rouge CICR organise ce matin un concours de plaidoyer sur le droit humanitaire à l'endroit des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Plus de précisions aussi ce soir. Enfin, notre partie magazine va porter sur le fonctionnement du service social du tribunal de Maradi. Merci beaucoup Rafika. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Munkaila Ouseni alias Sino 50% et de moi-même Samira Wafi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro avec Fanta Shamsou et Rabia Mekano. Et oui, à la technique, c'était tout simplement Issa, Lawali et bien évidemment la grande dame Rahilatu Soumana à l'édition. Merci à tous, bye bye. Bye bye. ya ce a bashi ki an bashi maciji ai wani ya ce a bashi ki an bashi maciji ai shi wannan kidin na soyayya ne muke yi da ka shuya karya ai ba mai hana ka da ka shuya karya ai ba mai hana ki kai ka ce kidi na banza ne mu riga ka je ka gona in ka iya ka yi kenan wata rijiya ka kwali ruwa in kana